façon é do voyager. Monsieur et bonsoir et bienvenue au 20h15 de la télévision Tambara que nous ouvrons avec le Conseil supérieur de la communication CSC qui a ouvert sa session ordinaire de l'année 2022 au titre de ce mois de février. Présidé par le président du CSC, Dr Sani Kabir, ce matin à sa cabinet. Plus de précisions avec Ramato Marou et Abdel Nasser Abdou. L'ouverture de cette session ordinaire au titre de ce mois de février 2022, présidée par le président du Conseil supérieur de la communication, Dr Kabir Sani, a enregistré la participation des conseillers, des membres du personnel administratif et technique du CSC. Elle a été essentiellement consacrée sur les points suivants. Information sur le CSC, examen et adoption du procès verbal de la session de janvier 2022, Examen de la demande d'avis du gouvernement sur le projet de loi portant révision des articles 159, 161 et 162 de la Constitution du 25 novembre 2010 et le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. Examen et adoption du projet de délibération portant adoption de la chasse des journalistes professionnels du Niger examen et adoption des rapports de commission d'instruction et enfin six questions diverses. Dans son discours, le président du Conseil supérieur de la communication s'est particulièrement apaisanti sur deux points. Permettez-moi d'insister sur le point relatif à l'examen de la demande d'avis du gouvernement sur le projet de loi portant révision des articles 159, 161 et 162 de la Constitution du 25 novembre 2010 et le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. Cette demande est faite conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa 3 de la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012, suivisée qui dispose que, je cite, « Le Conseil supérieur de la communication est consulté par les pouvoirs exécutifs et législatifs avant toute prise de décision dans les matières relevant de sa compétence, en particulier les textes relatifs au secteur de la communication. Fin de citation. C'est donc dans le respect de cette disposition que le ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions, a introduit la présente demande d'avis relatif aux deux projets de loi susmentionnés. Mesdames et Messieurs les conseillers, Bientôt 10 ans de mise en œuvre de la loi numéro 2010-34 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. Et d'importantes insuffisances ont été décelées, entravant souvent l'efficacité de la régulation des médias. Il s'agit notamment de la forte et fulgurante percée des réseaux sociaux au Niger et l'avènement de la TNT qui constitue des évolutions digitales majeures qui nécessitent des réformes profondes des textes du régulateur. Les textes actuels sont muets sur l'indication du digital et les médias traditionnels, ce qui ne permet pas une régulation prompte et efficace des médias. La procédure de traitement des plaintes étant lourde pendant que l'information circule à la vitesse d'éclair. Au vu de tout ce qui précède, il y a nécessité de reformer les textes du CRC pour une régulation prompte et efficace mesdames et messieurs les conseillers, l'autre point sur lequel je voudrais m'appesantir est celui de l'examen et l'adoption du projet de délibération portant adoption de la charte des journalistes professionnels du Niger. La maison de la presse a adopté en plénière du conseil d'administration élargi aux autres organisations non membres de la maison de la presse la dite charte. Nous allons donc au cours de la présente session examiner et adopter la nouvelle charte des journalistes professionnels dont nous sommes les gardiens et dépositaires. Outre l'examen de la demande d'avis du gouvernement sur le projet de loi portant révision des articles 159, 161 et 162 de la Constitution du 25 novembre 2010 et le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication et l'adoption du projet de délibération portant adoption de la charte des journalistes professionnels du Niger. C'est sur ce mot que le président du CSC a ouvert les travaux du Conseil supérieur de la communication au titre de ce mois de février 2012. Le musée national Hamad de Niamey a accueilli le samedi 26 février 2022 la cérémonie de la 13e édition de la journée annuelle récréative des femmes et des enfants sous le double patronage de la ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant et du ministre de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Le compte rendu de la rédaction. Au Niger, partout où il y a des problèmes d'eau, ce sont les femmes et les enfants qui en souffrent. Et comme on a coutume de dire, l'eau c'est la source de vie. Et pour aider les populations qui sont dans le besoin, le groupement des sœurs Ibadoraman GSI met les femmes et les enfants à l'honneur à travers cette journée récréative au Musée national où chacun trouve son compte. Permet aux GSI de mener des actions nobles, notamment la construction de puits et de forages. Du début de cette initiative à cette 13e édition, nous avons réalisé ensemble et avec, avec le concours de tous énormément de choses merveilleuses. Puisse Allah les accepter et les placer dans nos balances de bonnes œuvres. Mais rappelons-nous aussi que ce cheminement nous a perdu Rappelons-nous que dans ce séminaire, nous avons perdu des braves sœurs qui sont, qui par leur présence physique, leur engagement et leur concours ont contribué aux résultats positifs engrangés par notre groupement. Pour cela, je vous demande à tous de prier pour elles et pour leur descendance. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne et faire du paradis al-Firdaus le très honneur éternel. La directrice de WACAF a salué les efforts du GSI tout en rendant un hommage particulier à ces braves femmes. À cette 13e édition de la journée annuelle récréative des enfants, des femmes et des enfants, je vous encourage et vous exhorte à mettre de côté pour la prochaine édition ne serait-ce que 10 francs pour contribuer au fonçage des prix comme le font le groupement de, euh, des sœurs Eva de Rahman depuis 13 ans. Ce groupement des sœurs Ibad Rahman mérite une assistance particulière puisqu'il complète l'État dans sa fonction régalienne et un, un partenaire pour la haute autorité du WAP. Euh, elles ont besoin de nous et nous avons besoin d'elles et ensemble nous allons contribuer à éradiquer le manque d'eau dont est victime plusieurs localités de notre pays. Présent pour la circonstance, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant soutient cette initiative noble qui prend en compte la femme et l'enfant. Au-delà des activités récréatives en faveur des femmes et des enfants de la ville de Niamey et environnant, vous contribuez par les fonds collectés au fonçage de puits et à bien d'autres activités humanitaires en faveur des femmes et des enfants des zones rurales. Vous êtes en cela le modèle type de croyants, artistes et de citoyens patriotiques soucieux de l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. C'est de cet islam porteur de nobles valeurs humaines, de progrès, de paix de tolérance et de construction sociale que nous voulons. Sur la base des fonds collectés lors des éditions précédentes, vous avez foncé un forage dans la région de Difa, neuf dans la région de Dosso, deux forages et vingt puits dans la région de Tilaberi, deux forages, un puits dans la région de Zender, un centre de formation professionnelle opérationnelle à Niamey. Vous avez en outre édité 11 ouvrages et plusieurs publications relatives au mois béni de Ramadan. Il s'agit là d'actes hautement méritoires et fortement recommandés par notre prophète sallallahu alayhi wa qui a dit lorsque meurt le fils d'Adam toutes ses bonnes actions s'arrêtent sauf trois. Et il cita parmi les trois Sadakatul Jaria, c'est-à-dire un nomal intarissable. Le but du groupement des sœurs Rahman n'est pas de dénoncer, mais plutôt d'attirer l'attention et de faire appel à l'aide et aux bonnes volontés pour la construction des puits et forages aux nécessités grâce à la collecte des dons. Enfin, notons que cette journée récréative de groupement des sœurs Ibadouraman a vu des témoignages des bénéficiaires des puits construits par ces veillantes femmes. La maison de la presse de Miami a servi de cadre le samedi dernier à la 4e Assemblée générale élective des jeunes volontaires pour l'environnement Juve et Niger. C'était sous le parrainage de la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification. Plus de détails dans cette édition. Après des jours d'intenses travaux, les rideaux sont tombés sur la 4e Assemblée générale élective des jeunes volontaires pour l'environnement et Niger, sur les thèmes jeunesse et résilience entre défis écologiques, sécurité et sanitaire. Cette Assemblée générale vise à renouveler l'organe dirigeant du Juvé, qui est le conseil d'administration. Le thème de votre réunion élective jeunesse et résilience entre défis écologiques, sécuritaires et sanitaires, cadre parfaitement à la mission assignée à votre organisation, mais surtout montre votre volonté à la maintenir parmi les structures très actives de jeunesse et de la société civile nigérienne qui accompagne notre département ministériel dans le cadre de ses missions. Par conséquent, nous ne, pas, nous ne doutons pas un seul instant de votre détermination et de votre engagement au regard des hommes et des femmes d'expérience choisis pour conduire les destinées de votre structure pour les, prochaines euh, trois, années. La présence de M. Sénat Alouka, directeur exécutif de GVE International, qui a bien voulu mettre à profit son séjour pour plaider en faveur de l'accueil du siège international à Niamey en est un témoignage. Mesdames et messieurs, le changement climatique, la réduction de la biodiversité et son habitat, l'augmentation des risques environnementaux, l'apparition de certaines maladies et épidémies, la naissance des conflits communautaires sont une préoccupation mondiale et constituent des défis pour l'avenir de notre planète et de ses habitants. Adam Omoru a été élu avec acclamation, ce qui ne le laisse pas sans voix. Et le président sortant a tenu à féliciter le président élu tout en lui souhaitant bon mandat. Comme objectif qu'on pourrait avoir, peut-être soyons fous, euh, c'est de penser à un Sahel vert, des parties de toutes les crises que nous connaissons actuellement, qui riment avec euh, des sécurités ou des insécurités, je dirais, de, tout ordre. Insécurité alimentaire, insécurité euh, d'aller et venir, et j'en passe. Donc, dans, ma la vision qui est la nôtre, c'est d'arriver à l'objectif d'un Sahel vert euh, d'une muraille verte entendue ailleurs. Et pourquoi même ne pas revenir euh, à la, reverdisation. Euh, à la reverdisation. Là, je, viens d'être corrigé par monsieur le conseiller. Il existe des projets qui vont dans ce sens, des projets qui, peuvent sembler abstraits, mais nous pouvons en faire une réalité. Donc je disais que il existe divers projets pour euh, reverdir euh, euh, nos, espaces de vie qui, pour certains d'entre eux, sont inhospitaliers. La vie est assez difficile. quand on prend le cas du Niger, pratiquement les 75% du territoire, je dirais les deux tiers, sont désertiques. Il y va de notre ressort pas que l'association que nous sommes ou l'État du Niger, mais à l'ensemble de la population euh, d'y mettre du sien, d'apporter sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse arriver à un objectif euh, pérenne par rapport euh, à l'environnement et à la protection qui lui est due. Nous devons en réalité, comme l'a dit le président sortant, redoubler d'efforts. La question environnementale est une question plus importante aujourd'hui pour les jeunes en tant que présent, l'avenir et le futur de notre cher pays. Il est important pour nous aussi de prendre en compte la question non seulement du développement durable dans sa globalité, surtout les objectifs qui concernent notre pays. Et à partir de cette année, nous avons déjà décidé de prendre en compte la question de l'agroécologie dans les activités de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Pour rappel, l'ONG Juve Niger est créée depuis 2009 au Niger et a pour mission de contribuer à l'implication des jeunes et des femmes au processus de développement durable. Adam Oumarou est élu à la tête du Juve pour un mandat de trois ans. Bon vent à la nouvelle équipe des jeunes volontaires pour l'environnement. Les rideaux sont tombés sur le tournoi interfilière de l'École supérieure de télécommunication EST, couplé à la compétition d'athlétisme féminin. C'était en présence des responsables administratifs de cet établissement et de nos reporters Mamadou Soufou et Abdel Nasser Abdou. Organisé par le comité exécutif de l'école supérieure de télécommunications EST, ce match interfilière qui oppose Master 2 et licence à deuxième année pour la finale. Le directeur général de l'EST a exprimé toute sa satisfaction aux organisateurs du tournoi pour l'innovation créée au cours de ces activités intra-scolaires et a révélé que cette activité sportive a un triple objectif. Je relève avec beaucoup de satisfaction que l'innovation majeure apportée dans cette activité sportive c'est surtout la prise en compte de la problématique de genre par l'intégration pour la première fois d'une compétition d'athlétisme féminin, ce qui cadre parfaitement avec les valeurs fondamentales de l'école supérieure de télécommunication. Aussi, je relève, je relève à, à, travers l'organisation de cette activité sportive un triple objectif. Un objectif d'intégration et de cohésion sociale entre les étudiants de tous les cycles et de toutes les filières de l'EST parce que venant d'horizons et de milieux divers. Un objectif de conciliation de la pratique sportive avec les études académiques permettant ainsi de joindre l'utile à l'agréable. Et enfin, un objectif de détection des talents pour constituer une équipe sportive digne de représenter l'école supérieure de télécommunications dans les prochaines compétitions sportives scolaire et universitaire. Le secrétaire général des étudiants de l'Est a saisi l'occasion pour remercier le secrétaire général de l'Est et l'ensemble de l'administration pour leur contribution dans l'organisation et la réussite de ce tournoi. L'instant décisif tant attendu est enfin là. Cher auditoire, je voudrais à cet effet, par ma voix au nom de, tous les comités exécutifs, témoigner pour avoir ensemble, ensemble fait de ce tournoi une, une réussite, un véritable cadre de, d'échanges, de, détente, de consolidation des liens sociaux entre les différentes composantes de notre école. C'est le lieu d'avouer que notre objectif est atteint, couronné de, succès et de, de beaux épisodes inoubliables que nous mettons à l'actif de, tout, de tous sans exception. C'est maintenant le moment de la grande finale avec comme affiche qui oppose Master D et la licence deuxième année. Nous nous donnons le plaisir de suivre quelque chose de mémorable. Pour ma part, je souhaite que la meilleure équipe gagne. Pour cette finale interfilière, plusieurs prix ont été attribués aux gagnants du tournoi et plusieurs médailles ont été données aux lauréates de la compétition féminine. Vivement donc les prochaines compétitions. Le complexe d'enseignement secondaire Talaye a organisé une journée culturelle à travers son comité exécutif le samedi dernier. C'était sous le patronage du proviseur du CG 22 Talaye. D'autres précisions avec Ramatoumar. Retenu sur le thème la cohésion entre enseignants et enseignants gagne d'une réussite scolaire évidente car il est clair que l'unité de l'action est un gage de réussite. Cette journée académique et culturelle organisée par le comité exécutif du complexe d'enseignement secondaire franco-arabe est une façon d'appeler aux uns et aux autres à plus de la sérénité, de solidarité, de quiétude et de la cohésion sociale. Les élèves et les enseignants ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre car ils sont comme le recto et verso d'une même famille, a affirmé le secrétaire général du, du établissement comme il est tradition en milieu scolaire dans la région de Niamey grâce au dynamisme de la section lycée et collégienne de la région de Niamey, nous voilà aujourd'hui pour faire notre rentrée scolaire, culturelle et sportive. Au titre de l'année académique 2021 et 2022, à l'instar des bon nombre de l'établissement scolaire de la capitale. Chers invités, cette année, notre rentrée scolaire, culturelle et sportive s'articule autour du thème suivant, la cohésion entre enseignants et enseignés gage d'une réussite scolaire évidente, car il est clair, l'unité dans l'action est gage de réussite. Mohamed El Munir, ancien cadre du complexe d'enseignement secondaire franco-arabe Talagé, a profité de l'occasion pour lancer un appel à l'égard des élèves de rester sereins et mobilisés, car le bon serviteur sera le bon maître de demain. Nous demandons à tous nos camarades de rester toujours unis et solidaires. Parce qu'aujourd'hui, je pense bien que cette école, c'est une école qui nous appartient tous. nous encourageons l'administration et les enseignants qui sont en train de fournir l'effort pour pouvoir renforcer la cohésion sociale entre nos camarades. Présent pour la circonstance, le directeur de Subsanté a exprimé ses sentiments. Sub Santé est né de la volonté des jeunes Nigériens médecins. Euh, je ne dirais pas, quoi qu'il faut, les anciens à nos côtés, je pense, étant jeune, c'est mieux. Il est, il, est, plus facile de se comprendre entre jeunes. crois qu'on a besoin aussi de nos papas ici présents à nos côtés. Et le deuxième atout, à Sub Santé, nous offrons une solide formation à nos élèves, tant dans le domaine, tant en théorie qu'en pratique. Et je ne terminerai pas mes propos sans pour autant féliciter et remercier le comité exécutif pour nous avoir invités et également insérer euh, un, concours de jeu sur la culture générale et également sur le plan académique. Parce que l'habitude, c'est qu'on a l'habitude de voir dans ces genres d'activité, les gens viennent pour la culture, pour le côté culturel. Le comité exécutif, par ce geste, vient de montrer qu'il ne s'agit pas seulement de venir fêter, mais également de venir faire travailler la substance Plusieurs prestations ont été à l'honneur de cette journée académique et culturelle. Des témoignages de satisfaction ont été décernés aux membres de l'administration, des anciens cadres du CGE 22 et aux membres de la section lycéenne collégienne de la région de Niamey pour leur appui et aux actes de bienfaisance à l'endroit des élèves du, du Enfin, le proviseur du complexe d'enseignement secondaire franco-arabe Talagé a tenu à féliciter le comité exécutif du CEG 22 pour la réussite de cette journée. On de clôturer cette édition par la présence de l'élection Miss Diaspora qui a eu lieu ce samedi 26 février 2022 au centre Mahatma Gandhi où neuf pays ont été représentés et c'était en présence de notre reporter Ibrahim Abdelkader et Abdullah Ayab. Elles étaient neuf au total, représentant le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Togo, le Cameroun, le Bénin, le Tchad et le Congo pour la couronne de la Miss Diaspora qui a sa quatrième édition au centre Matma Gandhi. Toujours dans le cadre de cette cérémonie, plusieurs artistes ont tenu à l'haleine le public. Le tout avec Chanel comme artiste d'honneur présente aussi pour la circonstance. Il était aussi question de culture générale avec les Miss et la danse était également au rendez-vous. C'était un roi très fort. Il préférait, il prodigeait sa cité des bêtes féroces et ses ennemis forçant sa propre population à menacer de l'amour mélangé à des bouteilles cassées, les pieds nus. Ça vraiment un nom donné avec le règne africain qui a régné sur la capitale du royaume Asna. On se souvient d'elle, du fait de la résistance que sa communauté opposa à la mission voulée chanoine, à une certaine époque où de nombreux royaumes d'Afrique continue sans combattre face au Conseil. On finit. Trois seulement ont été élus. Au terme des prestations de chacune des candidates et à la notation qui a été portée par chacun des membres du jury, il ressort les résultats suivants. Deuxième dauphine, avec 95,75 points sur 130. La deuxième dauphine est Zulahatu Abdou Niger. La Miss Diaspora de cette année est avec 103,5 points sur 130 c'est Le Bénin et le Niger ont respectivement occupé la première et la seconde place, c'est-à-dire Nice et sa première dauphine. L'émotion était aussi au rendez-vous. Je suis juste en joie et émue et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu. Wow, je suis en, je suis en joie, je n'ai pas les mots en fait, j'ai pas les mots, j'ai de 17 trophées à tous les Nigériens, à tous les gens qui ont cru en moi, qui m'ont pris par la main jusqu'à jusqu'à la fin. Je les remercie vraiment. Et comme l'a si bien dit Alfadi, présent à la dite cérémonie, c'est un rendez-vous de la culture, mais aussi de la beauté africaine. En avant pour la prochaine édition. C'est sur cette page de l'élection Miss Diaspora que s'achève cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention et au revoir.